forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le Studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique euh, des questions scolaires. Euh, avec nous ce soir euh, en ligne, Monsieur Dandako Yamadou, président de l'Association nigérienne des établissements scolaires privés du Niger. Avec nous également Monsieur Alio Hassan Samna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base et co-coordonnateur de la cause Niger. Il y a aussi Monsieur Munkela Halidou, secrétaire général du Sinaseba, Sinaseba, sur le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de Baza. Nous avons également invité euh, du côté du ministère de l'éducation, de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et l'éducation civique, M. Achanaïma, euh, que nous allons tenter de joindre en ligne, voir si euh, les conditions, toutes les conditions seront réunies. Euh, monsieur Aliou Hassan Samna, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Moukela Halidou, bonsoir. Bonsoir. Euh, il y a euh, au menu de ce forum euh, de ce mercredi 23 novembre 2016 la problématique de la situation scolaire au Niger avec en toile de fond la baisse du niveau des scolaires, le manque de niveau chez certains enseignants, mais aussi et surtout, mais aussi et surtout le recrutement parallèle et la concurrence du secteur privé. Messieurs, dames, rebonsoir. Une éducation, euh, une bonne éducation constitue aujourd'hui la clé de voûte du développement de tout pays qui aspire à doter sa société de ressources humaines de qualité. Or, depuis quelques années, on évoque une baisse drastique du niveau des scolaires, surtout chez du privé, du public, du moins. Euh, Halidou, euh, vous qui êtes le secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, euh, le niveau des élèves est-il moins bon qu'il y a 10 ou 20 ans <coughs> Merci. Euh, je profite quand même pour euh, <laughs> féliciter le studio Kalangu pour, euh, en tout cas, cette initiative de ce, de ce forum. la question ou la problématique de la baisse de niveau ne date pas de 5 ou, ou 10 ans. Je voudrais quand même rappeler que euh, les premiers constats étaient partis euh, des années 90 avec euh, les institutions de Bretton Woods, j'allais dire, qui nous avaient imposé un comportement en son temps, c'est-à-dire pour avoir accès à leur financement, il fallait également, en tout cas, obéir à leur, à leur directive. Donc, tout était parti de ce moment. Si vous vous rappelez, au moment où il y avait les questions euh, de programme d'ajustement structurel où euh, euh, il y avait les doubles flux. C'est en ce moment qu'on avait commencé à connaître les premières dérives de notre système éducatif nigérien et ça a continué avec aujourd'hui après ces programmes nous avons les contenus de l'enseignement qui également ont des difficultés nous avons les années scolaires qui ne se termine jamais. Mais euh, à, tout cela s'ajoutent les différentes, euh, les différentes euh, réformes de notre système éducatif qui n'ont jamais connu d'évaluation. Je voulais dire que au Niger, nous sommes spécialistes en réformes, Mais lorsqu'on fait des réformes, il va falloir d'abord évaluer, voir les insuffisances et maintenant projeter une autre réforme pour en tout cas, essayer d'amener le système à être euh, un système concurrent. Mais très malheureusement, euh, le constat est parti de là-bas et à cela, aujourd'hui, s'ajoute euh, n'est-ce pas, la question du, volontariat qui est arrivé à partir de 1998, qui a été transformé en contrat à partir de 2003, où à un moment, on recrutait des enseignants qui n'avaient pas de formation euh, euh, des, des, Donc, voyez-vous que quelqu'un qui n'a pas une formation, quelqu'un qui n'est pas qualifié à aller enseigner, comprend pour l'amener pour la première fois devant des élèves, juste avec des documents pour enseigner, il y a des difficultés. Donc, le temps qu'on puisse s'adapter, ça a créé des problèmes. Et à tout cela s'ajoute aujourd'hui la forte politisation de notre système éducatif. Voilà en fait de là où est partie la question de la baisse des niveaux. À cela s'ajoute aujourd'hui, <laughs> à partir des années 98-99, les, différentes, euh, les différents mouvements mouvements sociaux les différentes grèves euh, des organisations syndicales, en tout cas que ce soit les organisations professionnelles ou même euh, les organisations euh, estudiantines. Donc voilà un peu en tout cas le schéma par rapport à cette question de baisse de niveau. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas lié à, la situation actuelle de notre pays, mais c'est une question sur laquelle en tout cas les autorités, à partir de la Deuxième République, en tout cas, nous ne pouvons que condamner de la Deuxième à la Septième République parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de responsable en tout cas de dirigeants, capables de redresser le système éducatif nigérien. Et nous voyons, la situation, est, elle est critique aujourd'hui, parce que comme que vous l'avez, euh, en cas, donné tout à l'heure, la baisse de niveau se constate du primaire jusqu'à l'université. Très malheureusement, c'est ça le constat aujourd'hui. Donc, pour dire qu'en réalité, c'est tout le système éducatif nigérien qui en pâtit aujourd'hui le Halidou, on va revenir vers vous le temps d'aller vers euh, le président de l'association nigérienne des établissements scolaires privés du Niger, M. Euh, Monsieur Dandakoy Amadou. La technique me fait signe qu'il est en ligne. Dandakoy Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir vous venez d'écouter euh, le secrétaire général du SINASEB. Euh, depuis quelques années, on évoque euh, une baisse drastique du niveau des scolaires, surtout ceux du public. le niveau des élèves est-il moins bon qu'il y a 10 ans ou 20 ans ah, mais bien sûr, mais avant de me prononcer, je voudrais d'abord remercier le studio Kalangula pour avoir pensé à nous et pour nous permettre de nous prononcer euh, sur euh, le sujet euh, actuel. Et je présente toutes mes excuses également aux autres partenaires là, qui sont sur le plateau et pour mon indisponibilité, n'est-ce pas, à, les retrouver là-bas afin de, participer activement, physiquement au débat. Mais le le, le, niveau des élèves actuellement euh, est un niveau euh, réellement catastrophique, ce n'est un secret pour personne. Et cela a une histoire. Vous savez que depuis la conférence nationale, après la conférence nationale, il y a eu euh, le système de Kendi, le Kendi système. Le Kendi système est à l'origine de tous les problèmes que le système éducatif vit aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'après la conférence nationale, un grand problème s'est posé, c'est le choix des hommes d'abord. Le choix des hommes pour gérer toute euh, l'administration de l'enseignement au Niger. On a vu des ministres qui ne connaissaient même pas leur rôle, des directeurs qui ont euh, euh, organisé des fuites, vous vous souvenez, de l'affaire des examens, des brevets Karmiko, baba et autres là. Et puis, euh, également, il y a eu les mauvaises réformes hein, qui se sont succédées, le double flux, le passage automatique, le volontariat, aujourd'hui la contractualisation, demain ça sera autre chose. Donc vraiment, il y a eu un mauvais choix au niveau euh, des hommes chargés de diriger cette structure-là. Donc, ça, c'est lié à l'aspect politisation du système, du système éducatif. C'est pourquoi depuis ces 25 dernières années, tous les élèves nigériens, la preuve est que quand vous suivez un étudiant à, la télé ou à la radio en train de parler, vous savez tout de suite que euh, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui s'est passé et, avant. C'est ça, c'est un problème qui est là. Et malheureusement, aujourd'hui encore, il y a une descente aux enfers du système éducatif. Il est complètement délabré aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui également, il y a un nouveau phénomène qui est là, la fraude et la corruption qui s'est installée dans les établissements publics. Dandokoy Amadou, on va revenir vers vous, le temps de revenir euh, dans ce studio pour donner la parole à, M. Aliou Hassan Samna, euh, qui représente euh, la cause Niger. Aliou Hassan Samna, vous venez là d'écouter Moukel Halidou et Dandokoy Amadou en ce qui concerne la baisse drastique du niveau des scolaires nigériens. le niveau des élèves est-il moins bon qu'il y a 10 ans ou 20 ans euh, merci pour euh, vraiment la question. Euh, je ne peux pas contredire les deux intervenants, puisque ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit en tant que spécialiste à, la matière, il va simplement pouvoir les compléter. en dehors de tout ce que les deux viennent de dire, il faut ajouter simplement que au niveau donc des écoles normales, puisque c'est de là que par la formation, il y avait avant un système d'orientation euh, n'est pas orienté dans une école normale euh, qui veut, mais est orienté dans une école normale, euh, le meilleur ou les meilleurs des CEG, quand on, quand on admet au BEPC, on vous oriente. Il n'y avait pas ces possibilités d'aller s'inscrire librement, même si on a un niveau catastrophique et même si on a un brevet acheté ou je ne sais pas bricolé, aller pouvoir avoir un diplôme à l'école normale et pouvoir devenir enseignant. Avant, je le dis et je le répète, c'est seuls les meilleurs vraiment élèves qui sont orientés euh, dans les écoles normales de formation. De telle sorte que les enseignantes et les enseignants euh, qui sortent donc euh, de ces écoles normales, on les voit aisément, ils sont des gens qui sont capables à travers leur expression, à travers leur connaissance, et ils connaissent beaucoup de choses, et c'est cela qui leur permet d'enseigner le minimum. Et la deuxième chose qu'il faut dire, il faut dire également les conditions de travail des enseignants euh, ont beaucoup contribué à cette situation. avant, il faut le rappeler, les meilleurs salariés sont les enseignants. Ceux qui étaient les mieux payés dans la fonction publique nigérienne, donc c'est les enseignants. Les enseignants avaient les plus gros salaires. Tout le monde rêve d'être enseignant euh, parce que l'enseignant était très bien payé. Mais et puis le fait que l'enseignant était bien payé faisait de l'enseignant une personnalité. Rappelez-vous, au niveau du village, quand vous partez au niveau des, différents villages où euh, les enseignants vivent, l'enseignant est toujours à côté du chef du village. D'abord, il connaît quelque chose et il est à l'aise. Ce n'est pas celui-là qui est, endetté profondément. même le petit tablier du quartier donc, euh, euh, a vraiment donc, le cahier dans lequel se trouve le nom. ça. Donc, nous estimons que ces deux paramètres également avaient beaucoup contribué. Aujourd'hui, Voyez, voyez nos camarades enseignants, ceux, là dont on n'arrive même pas à pouvoir les rassurer de pouvoir continuer donc vraiment la profession enseignante. Ou vous êtes contracteur, vous restez encore contracteur, vous faites 10 ans, 12 ans plus que ça, vous attendez encore. Alors que avant dès que vous sortez de l'école normale, c'était ça que nous, nous avons eu. Et c'était ça qui nous avait encouragé à rester de l'enseignement et à avoir le courage d'enseigner, d'apprendre davantage de Parce que nous étions déjà sortis. La première année, d'emblée, on vous donne les matricules. Vous avez le matricules, vous êtes devenu enseignant, enseignant plein. Donc, euh, vous savez que vous n'avez rien à faire que l'enseignement. Aujourd'hui, vous êtes contractuel. Vous ne savez même pas, est-ce que vous allez continuer ou alors euh, au prochain concours de la garde nationale si vous allez quitter pour devenir un garde ou si c'est un policier, parce qu'ils sont très nombreux, nos camarades, qui, avaient eu à abandonner cette erreur Donc, vraiment, eh, c'est l'ensemble de ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour euh, justifier le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui eh, le niveau est bas. Et aussi, il est extrêmement important de parler de la politisation. De la politisation. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne veux pas le dire, mais regardez, vous allez comprendre qu'il y a, y, des ministères qu'on octroie à un parti politique. On dit que tel ministère appartient à tel parti politique. Ou alors on dit que tel ministère doit revenir à telle région. on va revenir vers vous, euh, Ali Hassan Samna, le temps de revenir euh, vers euh, Moukel Halidou, secrétaire général du SINASEB. Moukel Halidou, quelles sont les conséquences de cette baisse du niveau des scolaires Écoutez, les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui lorsqu'on ne prépare pas une relève. C'est que, à la longue, nous risquerons de nous confronter à une administration qui, en réalité, ne peut plus même faire une correspondance. Puisque, avec cette baisse de niveau, tout à l'heure, nous l'avons dit, et je salue aussi au passage euh, euh, euh, notre tonton qui est en ligne, certainement, qui est en train de nous écouter, il sait qu'aujourd'hui, la manière dont la relève actuelle a été préparée n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on est en train, ou, sont en train de partir et laisser notre pays. À la limite, à la limite, nous risquerons, si nous ne faisons pas attention, si nous continuons dans ce sens, c'est que la grosse conséquence, nous risquerons de faire recours, comme dans, l'ancien dans temps, à des pays étrangers pour venir gérer notre administration. Puisque euh, euh, euh, lorsqu'il n'y a plus la qualité, lorsqu'on crée toutes les conditions pour faire échouer la jeunesse actuelle, on crée toutes les conditions pour qu'il ne puisse pas y avoir de relève. Et c'est pour cela que vous voyez, vous, que tous ceux-là qui partent à la retraite, c'est pour qu'ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une relève. Et tant qu'il n'y a pas de relève, mais la vie là ne leur appartient pas. Un jour ou l'autre, ils vont partir. Ils vont laisser les jeunes, ils vont laisser la jeunesse. Mais la jeunesse qui n'est pas préparée, la jeunesse qui n'est pas préparée à gérer cette administration, je me pose la question, comment est-ce que cela pourrait être Donc la conséquence que nous risquerons, en tout cas, risque d'être une conséquence, en cas, euh, néfaste pour euh, notre, notre pays. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est de revoir encore cette situation. Sinon, je vous assure, nous l'avons dit aujourd'hui, peut-être que lorsqu'on parle de, de relève, on ne voit que directement que l'université de Niamey ou les universités du Niger ou même les étudiants de manière générale, même ceux qui portent à l'extérieur pour étudier. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, vous l'avez euh, sans doute euh, suivi, aujourd'hui, c'est quand vous allez suivre certains étudiants en discours vous aurez honte qu'on dise que vous êtes nigérien. Et pourtant, aujourd'hui, on se suppose quand même que l'avenir. Mais tout ça, la faute à qui est C'est ce que je suis en train de dire. C'est la faute à, à ceux-là qui nous gouvernent, à ceux-là qui n'ont pas préparé la relève, ceux-là qui ont créé les conditions pour que notre système éducatif puisse se retrouver, en tout cas, dans cette situation, c'est-à-dire complètement à terre. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. L'école publique nigérienne, elle est complètement à terre. À terre, je vous dis. À terre. Lorsque l'enseignant tout à l'heure, le camarade Aliou l'a dit, l'enseignant peut faire trois mois, quatre mois sans toucher de salaire, mais qui vous dit que l'enseignant n'a peut aller enseigner Et pourtant, on continue à faire passer les élèves, qu'ils puissent être bons ou mauvais, on les fait passer dans les classes supérieures. Et à la longue, qu'est-ce qu'on va retrouver On va se retrouver avec des élèves qui vont venir avec des diplômes, mais qui, à la limite, ne peuvent même plus écrire leur nom. Nous allons tenter de retrouver Dandokoy Amadou en ligne. Dandokoy Amadou, euh, quelles sont les conséquences de cette euh, baisse de niveau des scolaires mais avant de vous parler des conséquences, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, la compétition des nations, c'est la compétition de l'école. C'est ça la compétition des nations. Chaque nation voudrait que euh, son école soit la meilleure. Et pourquoi la meilleure Parce que ce sont de ces écoles que sortent les meilleurs cadres. La dernière fois, nous avons vu tout le show qui a été fait autour de la, désignation du ministre Mohamed Moussa au niveau de, de la SECNA. Mohamed Moussa appartient à quelle génération d'élèves À quelle génération de cadres À l'ancienne génération. Et à partir de cette génération, il n'y a plus rien encore. Ce qui voudrait dire que il serait très difficile aujourd'hui aux autorités de placer un, cadre, un cadre nigérien à l'extérieur, un cadre de, de, 1991 à 2016, là, il sera très difficile de placer ce cadre-là dans une institution à l'extérieur parce qu'il n'est pas compétitif parce qu'il est le produit d'une école qui n'est pas compétitive. Alors, la preuve est que c'est de cette école de 91 à aujourd'hui que sortent la majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui les contracteurs, parce que, bon, je ne parle pas des volontaires, eux, ils n'ont même pas été à l'école pour, certains. Le passage automatique est là. Donc, de telle manière que ce sont ces mêmes gens qui sont, euh, qui sont encore envoyés dans les écoles publiques pour former des Nigériens et dans quelles conditions eux-mêmes travaillent sur le terrain. Alors c'est pourquoi euh, il n'y a, pas, il, y a, un problème très sérieux qui est là. Alors, euh, Amadou, à qui la faute euh, de tous ces problèmes La faute à tous ces problèmes, c'est la faute du politique. Parce que tant que l'école est politisée, il n'y a rien à faire. Je vous ai dit, la compétition des nations, c'est la compétition de l'école. Il n'y a rien à faire. L'école est technique, hein. ce n'est pas un hasard. Dans le cas Amadou, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à Aliou Hassan Samna. Les conséquences de cette baisse drastique des nouveaux délais scolaires euh, Vous voyez, euh, le Niger, nous avons toutes les ressources. Nous avons au Niger le pétrole. Nous avons au Niger l'uranium, nous avons l'or, nous avons le fer, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Mais est-ce que nous sommes développés Disons non. Nous avons toutes les difficultés économiques. Aujourd'hui, le Niger est même confronté aux, dépenses élémentaires de souveraineté. Pourtant, nous avons toutes les richesses. Alors on se pose, il faut se poser simplement la question. Donc qu'est-ce qui en cause de la formation, les ressources humaines de qualité. Qu'est-ce qui nous manque Voilà. Qu'est-ce qui nous manque Il nous manque des ressources humaines de qualité. Vous voyez aujourd'hui, donc avec tout cela, le Niger devrait faire partie des États émergents. Mais nous avons ça, nous n'avons pas l'essentiel, les ressources humaines. Donc euh, la conséquence, cela veut dire que le Niger ne peut qu'occuper un mauvais sur le, sur le plan donc de, classement économique. Alors rapidement, qu'est-ce que faut-il pour y remédier La première chose, il faut d'abord qu'il y ait d'abord une prise de conscience de ceux-là qui, sont, qui ont la responsabilité de gérer l'État. S'ils prennent conscience, cela sous-entend créer les conditions pour que l'école puisse retrouver ses lettres de noblesse. Pour que l'école puisse trouver ses lettres de noblesse, la première chose à faire, c'est d'abord de dépolitiser l'école. Après avoir dépolitisé l'école, c'est de créer les conditions pour que ceux-là qui sont censés développer et gérer le pays demain puissent avoir les, compétences nécessaires. Et puisque si nous n'arrivons pas à ça, nous allons former des bandes de criminels, nous allons former des terroristes, nous allons former des êtres nuisibles. Disons que nous allons fabriquer des bombes atomiques, puisque vraiment des personnes sans formation Vraiment, ce sera un danger pour le Niger, pour même l'existence de notre pays. On va revenir vers vous le temps de retrouver euh, Dandokoy Amadou en ligne. Dandokoy Amadou, que faut-il faire euh, selon vous pour y remédier Pour y remédier, voilà les propositions. Il faudra que les gens se disent, le politique surtout, que l'école est une autorité, une institution, une autorité avec ses règles, avec, euh, avec ses manières de fonctionner. Et il faut restaurer donc l'autorité de l'école. Et en restaurant l'autorité de l'école, il faut restaurer la dignité de l'enseignant. Tant que la dignité de l'enseignant n'est pas restaurée, il n'y a pas d'école. La dignité de l'enseignant sous-estime beaucoup de choses. Euh, choisir des bons, des bons enseignants qualifiés, les mettre dans, dans des conditions, parce que si vous envoyez n'importe qui enseigner, quelqu'un qui ne sait pas lui-même conjuguer l'imparfait, on lui dit d'aller enseigner de type, Vous croyez que c'est possible Ce n'est pas possible. Un enseignant qui n'est pas dans les meilleures conditions de vie, vous croyez qu'il peut enseigner Donc s'il y a les deux choses-là, je pense qu'on peut revenir à l'orthodoxie normale de l'art. où Amadou, restez en ligne, nous allons donner la, parole. tant que la dignité des enseignants, nest pas, restaurée, ne vous attendez pas <clears throat> à une, à une école euh, dynamique où Amadou, restez en ligne, le temps de donner la parole à Moukela, Moukela Lidou. Rapidement, que faut-il euh, faire pour y remédier rapidement Non, écoutez, il n'y a pas mille choses à faire qu'en dehors de ce que le doyen vient de dire. Dans cette situation, reconnaissez une chose, c'est qu'il faut d'abord dépolitiser le système éducatif nigérien et deuxième chose, il faut créer les conditions pour donner une nouvelle vision, en tout cas à notre système éducatif, c'est-à-dire créer les conditions de mettre les enseignants dans euh, euh, la position ou la possibilité de pouvoir véritablement faire le travail de l'enseignement. Tel que le doyen l'a dit, il va falloir créer les conditions pour effectivement, en tout cas, euh, donner une nouvelle image aux enseignants du Niger. Parce que tant que ce ne sont pas les enseignants qui sont dans les conditions, quel qu'en soit ce qu'on va faire, ça risque d'échouer. Restez avec nous, notre débat continue sur le studio Kalangou. vous l'avez tous euh, rappelé tantôt, l'une des véritables causes de la baisse du niveau des scolaires et aussi le manque euh, de niveau chez certains enseignants eux-mêmes. Moukaila Halidou, est-ce que c'est par vocation que certains enseignants enseignent ou tout simplement euh, c'est pour joindre les deux bouts, comme disent les autres Oui, je crois quand même que nous avons les deux nous avons les deux. Il y a ceux qui sont dans le système par vocation, qui aiment effectivement le métier d'enseignant, qui aiment enseigner. Parce que euh, euh, nous été, euh, ces dernières années, les conditions, de, les situations dans lesquelles se trouvent les enseignants, chacun voulait être enseignant. Tout à l'heure, le camarade Aluel l'a dit. Dans le temps, l'enseignant était le modèle dès que vous demandez dans une classe à un élève qu'est-ce qu'il veut devenir, il va vous dire enseignant parce que l'enseignant était le modèle type pour, en tout cas, notre administration. L'enseignant, d'abord, dans le temps, était le mieux payé. L'enseignant était payé avant tous les autres fonctionnaires. Mais aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, on ne considère même plus l'enseignant. L'enseignant n'a même aucune valeur aux yeux des autorités. Donc ça, c'est oh, oh, oh, ce qui fait en sorte que la deuxième catégorie est là, ceux qui viennent par nécessité, parce qu'il n'y a plus de travail. Et vous-même, vous le savez pertinemment que, euh, tout à l'heure, euh, nous l'avons dit, quand on ouvre des concours de recrutement, et, des concours au niveau euh, euh, euh, de la police, de la garde ou de la gendarmerie, mais la plupart de ceux qui admettent, ce sont les enseignants. Parce qu'il n'y a pas de travail sur le marché, ils viennent à l'enseignement et dès qu'il y a une possibilité, mais les gens vont partir. Que de venir là où qui n'est pas considéré, là où à longueur de journée on est là avec une pression sur toi, on est là, on te menace, on fait du tout, mais écoutez, tu ne peux pas rester, tu ne peux que chercher quelque part où aller. Donc aujourd'hui, nous avons les deux. Et c'est pour cela que nous avons dit, tant qu'on veut aujourd'hui développer notre système éducatif, lorsqu'on a besoin de la qualité de l'enseignement, il faut créer les conditions pour maintenir les enseignants dans le système. Et on ne peut pas maintenir les enseignants dans le système tant qu'on n'investisse pas sur l'enseignant. Il faut créer les conditions pour que l'enseignant puisse se sentir agent de l'État, l'enseignant puisse avoir une couverture d'agent de l'État. Dans ces conditions, nous pourrons entrer à aller de l'avant. Mais le cas contraire, je vous assure qu'aujourd'hui, à 80% des enseignants, s'ils ont la possibilité de quitter le système, ils vont partir. Le système est pourri, le système est politique. Aujourd'hui, pour nommer un simple directeur d'école, il faut qu'on sache dans quel parti il, il milite, il faut qu'on sache il vient de quelle région, il vient de quel village. Voilà comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui dans notre administration. La technique me fait signe qu'il y a Achana euh, le directeur euh, des ressources humaines euh, du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à l'écoute. Achana est-ce que, est que avant, av avant les enseignants étaient très bien considérés tant par les citoyens que par les autorités. Alors, qu'est-ce qui explique cette place P enviable réservée aux enseignants euh, Bien, merci. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit depuis quelques années, il y a une crise mondiale de la qualité de l'éducation. cette crise, donc, euh, n'est pas naturellement pas le Niger. Cette situation tire d'origine depuis les réformes qui ont déterminé les années 90 avec les programmes d'instruments structurels qui ont conduit à des réductions drastiques des salaires et à des recours, à des réformes inappropriées, inadaptées, à des recrutements donc d'un personnel avec enseignants de type nouveau. On les a appelés volontaires, contractuels et, même des enseignants en fait communautaires, ce qui a fait que le métier donc devenu en fait très attrayant du fait que euh, euh, euh, tout le monde, il n'y a pas beaucoup de puisque que tout le monde a fait vient. Ça c'est dernièrement d'autres conditions de dégradation sont venues en fait, s'ajouter à, tout ce climat. Des, programmes, euh, des politiques éducatives qui ont été élaborés à un temps et qui ne s'y en prêtent plus. Et les réformes ainsi que la planification en termes de besoins n'ont pas suivi pour permettre de gérer à la fois le flux d'élèves extrêmement euh, important, mais également la demande importante en nombre d'élèves pour couvrir le besoin de l'expansion de l'expansion du système. Tous ces facteurs réunis ont amené avec les révolutions qu'il y a eu, donc, euh, les mouvements sociaux qui ont été déclenchés euh, juste à la fin des années 80, on conduit à ce que les cris d'éducation, euh, naturellement, qui n'épargnent pas le personnel en enseignant pour contribuer à une dégradation du système fait, mondial. Et ce n'est pas pour rien. Si dans les années 2000, depuis les années 90, la conférence de jeunes en Dakar en 2000 pour l'éducation pour tous, ce n'est pas des choses fortuites, parce que notamment dans les pays sous-développés, il y a une crise quand même euh, en fait de l'éducation, et même dans certains cas dans les pays développés. Achanaïma, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire du côté des ministères euh, pour, euh, pour lutter contre le, manque de niveau chez certains enseignants Le manque de le niveau, le manque de niveau de chez, certains enseignants. Bon, vous savez, la question de la qualité, c'est une question qui part à la fois sur les réformes, mais aussi sur l'environnement. Donc, le système éducatif, lui seul, isolé, en ne tenant pas compte de la question de de la communauté, ne peut pas faire. Donc, il y a des réformes qui ont été envoyées, la réforme curriculaire qui est en cours, avec un extrémisme de langue nationale pour permettre d'améliorer à la fois les manuels, mais également la qualité. On a également institué donc la question de la formation initiale et continue des enseignants à travers la création de beaucoup de d'écoles. Aujourd'hui, on en a 11, alors qu'on était à deux ou trois en fait, par le passé, avec euh, un nombre important des encadrés pédagogiques qui sont formés à l'école normale supérieure, qui s'agissent des postes ou des secteurs, et ça donc fait à tous les niveaux, avec beaucoup de services de qui ont été créés pour rapprocher l'encadrement, et mieux avec des mesures innovantes comme les formations à distance qui permettent aux enseignants non diplômés d'avoir donc des diplômes. a tout qui ne parle plus de mesures, mais vous savez, la crise donc le système éducatif, lorsqu'elle naît, elle prend du temps avant, ça, prend beaucoup de temps avant que les choses, euh, euh n'est-ce pas, donc l'un l'ordre, et c'est toutes ces réformes-là à, long terme qui vont permettre à la fois de revoir les programmes, de continuer les programmes, mais également d'autres réformes en ce qui concerne la question de la gestion du système, notamment par rapport à la gestion du personnel, puisque tous les pays qui ont adopté le système de fondation aujourd'hui, on se rend compte que le, le, recherchés recherché, en fait, n'y est pas, puisqu'il y a beaucoup de pertes de temps scolaires, il y a beaucoup de, de c'est même en fait à ce côté contrairement à ce que l'État la Banque ont fait pour un pays. Et il y a des processus de projection pour voir donc comment est-ce que et, euh, cette question donc, de standardisation et d'avoir vraiment des enseignants de qualité. restez en ligne euh, le temps euh, de souhaiter la, réaction de Dandakoy Amadou, qui est le président de l'association nigérienne des établissements scolaires privés du Niger. Dandakoy Amadou, avant, les enseignants étaient très bien considérés tant par les citoyens que par les autorités. Alors, qu'est-ce qui explique cette place peu enviable réservée aux enseignants? Oui, mais qui expliquent cette situation, en fait, euh, j'étais un coup d'œil euh, dans l'histoire politique du Niger. Ah, au moment des indépendances, là, vous comprenez, le politique et le savoir étaient ensemble. Le politique incarnant ceux qui euh, dirigent le pays, le savoir, c'est les enseignants. Ils sont ensemble, ils sont complices, et de telle manière que vous voyez bien que tous les cadres qui sont sortis de, de cette euh, période-là, euh, ils, sont tous euh, bons et capables parce que le politique n'a pas lâché le, politique n'a pas lâché le savoir. Mais aujourd'hui, malheureusement, le politique a lâché le savoir, il a laissé tomber le savoir, mais c'est pourquoi justement il y a ce problème en ce moment-là. C'est tout. C'est pas difficile. C'est pas difficile à savoir. C'est ça la situation. Il faut tout simplement que le politique reprenne, n'est-ce pas, euh, euh, avec, euh, avec le savoir, pour que l'école nigérienne soit régressée. Restez en ligne, Dando Amadou. Amadou, restez en ligne. On va donner la parole à Alio Hassan Samna. Alio Hassan Samna, avant, les enseignants étaient très bien considérés. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi Oui, puisque simplement, disons, c'est la politique éducative actuelle. vous ne pouvez pas euh, vouloir des enseignants de qualité euh, dans des conditions extrêmement euh, pénibles. Et la première chose qu'il faut d'abord, si nous voulons à ce que nous ayons des enseignants de qualité, il, il va falloir que ce soit seulement des gens qui ont la vocation, ceux-là qui veulent enseigner, que ce soit ceux-là qui se retrouvent dans l'enseignement. Aujourd'hui, le fait qu'au Niger, dans tous les secteurs, nous avons beaucoup de jeunes diplômés sans emploi, met en danger le système. Si vous avez un diplôme et que vous ne savez pas où aller, alors vous n'avez pas le choix, vous allez dans l'enseignement en attendant d'avoir un monde meilleur. Tout à l'heure, je vous avais dit que euh, quand il y a ces tests-là, on voit beaucoup d'enseignants qui quittent. Parce que, effectivement, c'est juste le temps de pouvoir se positionner. Et également, euh, les responsables au niveau des ministères en charge. Nous avons euh, constaté ces dernières années, ça fait à peu près plus d'une décennie, chaque ministre qui vient vient avec sa réforme. Comme si c'est une sorte de concurrence de, de, de, personnalité. On veut mettre en valeur lui-même pour qu'on dise réforme d'un tel, réforme d'une telle, réforme de... Sinon, comment peut-on comprendre Regardez au niveau du ministère de l'enseignement primaire. Récemment, nous avons vu qu'il y avait eu la suppression du CFPD. Mais le CFPD était supprimé pour qu'il y ait des ressources. Euh, voilà, pour qu'il y ait des ressources et que ces ressources-là puissent assurer la formation des enseignants. Mais est-ce qu'il y a eu, est-ce que ces fonds ont été transférés pour qu'il y ait la formation des enseignants Nous disons non. Merci, messieurs. On poursuit ce débat dans un instant. Autre aspect de ce forum, c'est la problématique euh, du recrutement, une situation longtemps décriée euh, par euh, les promoteurs des établissements scolaires privés et même, certains syndicats du secteur de l'éducation, je veux dire le recrutement parallèle. Alors, on va tourner vers Dandokoyi Amadou, qui est le président de l'association nigérienne des promoteurs des établissements scolaires privés. Dandokoyi Amadou, la crise ne fait pas l'affaire, ne fait pas l'affaire des établissements privés Allô, vous dites Est-ce que cette crise euh, ne fait pas l'affaire des établissements privés Non, pas du tout. Avant d'en arriver là, vous avez parlé de vocation tout à l'heure là. Mais la vocation là, elle a deux aspects. Hein. La vocation, elle peut être naturelle, comme elle peut être créée également. Parce que tout simplement, vous pouvez ne pas avoir la vocation de l'enseignement, mais quand vous y allez, si les, si les conditions sont réunies, et il n'y a rien à faire, vous aurez la vocation pour continuer à travailler. Parce que l'école, il ne faut pas vous faire d'illusions, c'est l'enseignant, point, c'est tout. Maintenant, par rapport aux différentes grèves-là, euh, il y a un euh, euh, proviseur qui nous accusait d'être à la base de, de cette, de, cette, de, de cette grève. Bon, je comprends, hein, parce qu'il est en train de se moucher, on comprend bien, mais en quoi ces grèves-là eh, favoriseraient-elles les écoles privées Ça, c'est des fausses accusations. Les, grèves ne favorisent pas, ne favorisent en aucun cas les écoles privées. Parce que c'est tout simplement un aspect des problèmes que rencontre tout le système, parce que en fait, les écoles privées en elles-mêmes, elles, en elles-mêmes, ne sont pas en dehors du système éducatif. Le privé, le privé comme le public constituent deux mamelles, deux mêmes systèmes Amadou, Amadou, votre association avait décrié euh, le recrutement, le système de recrutement parallèle. Que peut-on comprendre par recrutement parallèle Recrutement parallèle. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. J'ai dit, on a dit ce qu'on a à dire par pudeur, il y a des choses que je ne voudrais pas dire parce que le monde entier nous écoute. Le, recrutement parallèle ne date pas d'aujourd'hui. C'est quoi le recrutement parallèle euh, Un proviseur qui vient, on lui dit de se débrouiller, qu'est-ce qu'il fait Il cherche et euh, il recrute les élèves qui sont déjà dans le privé, moyennant de l'argent. Ça, c'est un deuxièmement, il prend euh, des élèves avec euh, des, des, des, des, fausses attestations de transfert venant d'ailleurs, vous comprenez, moyennant de l'argent. Donc finalement, ces établissements publics sont devenus des établissements privés eux-mêmes. Parce que tout simplement, parce qu'il y a l'impunité, les préviseurs font ce qu'ils veulent. Non seulement dans de quoi, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, dans, quoi, ne partage même pas avec les enseignants qui font le travail. Dende Kouamadou, euh, restez à ligne le temps de donner la parole à Achana qui est le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire. Achana est-ce que cette crise ne profite pas aux établissements privés écoutez, moi je ne serai pas ce débat, cette guerre donc euh, d'intérêt entre euh, certains proviseurs, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais je sais que en tant que citoyen, euh, je suis défenseur plutôt de l'école publique, moi, et pas de l'école privée. maintenant, dans tous les cas, s'il y a crise du système éducatif, c'est y compris le privé. Maintenant, l'État donne des dispositions pour effectivement réglementer le privé, mais également pour que les textes au niveau du public soient correctement appliqués en matière de passage au développement en fait d'exclusion. Il faut bien contrôler ce secteur-là parce que dans tous les cas, tout le monde sait que le privé chacun dans sa là crée donc sa pousse comme des champions. C'est vraiment en fait un autre débat. Je ne voulais pas rentrer dans ce diatribe où les, privés qui pensent qu'on leur prend des clients euh, avec certains produits. Dans tous les cas, c'est des pratiques qu'il faut dénoncer de part et d'autre. Donc, euh, pour la crise ne favorise pas de façon le système éducatif. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir euh, solutionner les problèmes, n'est-ce pas, avec qui amènent la crise. J'allais parler exactement du, fait que beaucoup disent que les enseignants vont ailleurs. Effectivement, c'est comme ça, mais sachez que même dans les pays où les salaires sont bien payés, c'est que les, le taux d'attrition, qui est le phénomène qui fait que les gens quittent les classes, qu'ils arrivent, euh, que les gens quittent l'enseignement pour aller vers d'autres métiers. Ce n'est pas simplement avec le mais ces derniers temps, le taux quand même en fait, est devenu important et les gens vont dans le secteur où les salaires sont plus importants, c'est de façon naturelle. Achanima, restez à ligne. à ligne. Nous allons donner la parole. On est contre le temps. Le temps est contre nous, du moins. Ah, ah, ah, Moukel Halidou, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que vous pouvez retenir par rapport à, cette crise du système euh, scolaire Rapidement, vous avez une minute pour. Non, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à la crise scolaire, c'est que euh, euh, euh, qu'on soit clair, l'État est le seul responsable du système éducatif nigérien. Il revient à l'État de créer les conditions pour stabiliser le secteur éducatif nigérien. on ne peut pas aujourd'hui sécuriser le secteur tant qu'on ne sécurise pas les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'on ne peut pas payer l'enseignant à la fin du mois. Lorsqu'on ne peut pas trouver à l'enseignant des conditions après son affectation de l'acheminer à son lieu de travail, voyez-vous que déjà nous avons faussé les calculs. Deuxième chose, il va falloir que, conformément au vœu du président de la République, où il a lors de sa prestation de serment, avait pris l'engagement de faire de l'école publique nigérienne sa priorité, il va falloir que l'école reste sa priorité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'école est devenue le dernier souci des gouvernants actuels de notre pays. Rapidement, Lyon, Hassan votre mot de la fin, au clôturé. Mais euh, vous avez juste une minute. Oui, s'il y a problème aujourd'hui au niveau de l'école, si privé, public, public, privé, privé, privé, euh, ce que c'est parce que le système ne marche pas. C'est parce que nous avons un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement, c'est un dysfonctionnement lié au système. Et s'il y a dysfonctionnement, les responsables, c'est ceux-là qui sont chargés donc de les gérer. Nous estimons que c'est à eux de prendre des responsabilités et de faire en sorte que euh, tout, puisse marcher euh, convenablement. Donc nous estimons que euh, aussi bien le président de la République que son gouvernement devront faire en sorte que au Niger, le public puisse marcher. Tant que le public ne marche pas de façon correcte, conformément aux règles établies, alors il y aura évidemment problème au public et évidemment cela va glisser au niveau du privé. Euh, Dendeko Amadou, votre mot de la fin, vous avez juste une minute rapidement. moi le mot de la fin c'est pour dire à tout le monde que les fondateurs des, écoles privées ne sont pas des gens qui sont parvenus, ce sont des gens qui sont soucieux de l'école nigérienne tout court, qu'elle soit école privée ou qu'elle soit école publique, parce que que euh, des élèves soient du public ou du privé, c'est tous des enfants nigériens et toutes les deux écoles concourent à former des cadres qui doivent demain promouvoir la défense le développement du Niger. Nous allons, euh, nous allons donner de la parole à Achana du ministère de l'Enseignement du Baza. Achana, euh, rapidement, euh, votre mot de la fin, juste une minute. Oui, donc merci. Je pense que il y a des réformes qui sont, en fait, c'est pas chaque ministère. Donc les réformes curriculaires, pour ceux qui savent, prennent du temps. Elles sont en cours et plein à nous avons espoir que dans deux années, elles vont porter. De l'autre côté, les crises économiques, les problèmes financiers qui ont fait que les États peinent souvent à payer les salaires font qu'il y a des débrayages et nous fondons l'espoir que les négociations entreprises donc entre les partenaires, entre les Nigériens et vont leur permettre de surmonter certaines difficultés afin que le calme revienne pour consacrer véritablement à la création d'une école de qualité pour tous. Voilà, nous sommes au terme de ce nouveau forum du studio Kalangou. Nous étions avec M. Dandako Yamadou, président de l'association nigérienne des promoteurs des établissements scolaires. Nous étions également avec euh, Ashanaima, directeur des ressources humaines au niveau du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, de l'éducation civique. Alio Hassan Samnako, coordinateur du cause Niger et de Moukaila Halidou, secrétaire général du Ben Sinaseba. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci et au revoir.